like fighter, oh I'm a full like fighter. Hello do like yeah. Full like fighter, oh I'm a Suite au tirage au sort de la Cannes 2019, ce vendredi 12 avril au Caire, le Sénégal a été largué dans une poussée en compagnie de l'Algérie de Riyad Mahrez, du Kenya et de la Tanzanie. Ensuite, le calendrier de la compétition a été dévoilé par la Confédération africaine de football. Les Lions de la Teranga feront leur entrée en liste ce dimanche 23 juin 2019 face à la Tanzanie à partir de 19h GMT au Caire pour la première journée. Le jeudi 27 juin 2019 à 19h aussi, les hommes d'Aliou Cissé joueront leur premier gros morceau dans cette canne 2019, en l'occurrence l'Algérie, dans le cadre de la deuxième journée, avant de boucler les phases de poule face au Kenya le 1er juillet 2019. ginnaaw bi tirages au sort CAN 2019 Égypte à Sénégal Poulsé lañ ko Algérie Tanzanie ak Kenya tirage confédération africaine de football kuréel bi ngànk lépp luy football fii ci Afrique le calendrier équipe yi maanaam programme compétition bobo. équipe nationale bu Sénégal jonganteem bu dimanche 23 juin 2019 lay am ak Tanzanie bu juróom-ñaari waxtu jotee. buñ ci jongante boobu Sénégal Wara a Algérie jeudi 27 juin 2019 match bobo 19h lay am manam juróom-ñaari waxtu ci guddi buñ ci jógee ñi match de poule à ak Kenya le 1er juillet 2019 bu 21h jotee bien. Passe il faut pas louper. Qui peut, qui peut me faire douter. Douter. Barrage de vaincre, ils vont goûter. J'ai marqué pas.